forum de studio Kalangou, c'est cet espace d'échange, de débat, de sujets qui préoccupent les populations, vous le savez. Il est 18h passé de 15 minutes. Très ravi de vous retrouver pour cet autre numéro du forum. Diallo Mariama Kenda à ce micro. Bonsoir et merci de rester à l'écoute. Euh, ce soir, nous revenons sur un sujet brûlant. Il concerne les commerçants et les vendeurs de véhicules d'occasion. Il y a un mois de cela, les autorités publiques de Niamey ont entamé une opération de déguerpissement aux alentours des écoles, des centres de santé et du grand marché. Ce déguerpissement concerne aussi les panneaux publicitaires non conformes, opération qui rentre dans le cadre du programme Ogam niamey les autorités Niamey-Niala des autorités de la 7e République pour l'embellissement de la ville de Niamey. Seulement, tous ces déguerpis disent ne pas savoir où se caser. Le problème de leur réinstallation est réel et constitue un véritable choc pour eux. Vous les entendrez tout à l'heure. Dans quelles conditions s'est faite l'installation préalable de toutes ces personnes Comment le gouverneur a-t-il procédé pour ce déguerpissement est-ce que les concernés de cette situation Qu'est-ce que les concernés de cette situation demandent Que compte t faire Nous en parlons en long et en large ce soir dans votre rendez-vous quotidien en présence d'un acteur de la société civile, Nassirou Soulé, la voix des sans-voix. Messieurs, dames, bienvenue. Je le disais, je reçois pour vous dans ce studio Nassirou Soulé, la voix des sans voix, acteur de la société civile nigérienne. Nassirou Soulé, bonsoir. Bonsoir. Et merci euh, d'être venu jusqu'à nous. Merci de répondre à chaque fois que besoin se fait sentir euh, euh, à, nos demandes. je corrige. Nasser Voilà. Voilà, donc euh, nous allons partir pour la première partie de, cette euh, émission. En, le 18 août dernier, les autorités publiques euh, de Niamey ont rendu publique une déclaration au cours de laquelle elles ont annoncé une opération de déguerpissement aux alentours des écoles, des centres de santé et du grand marché. Ce déguerpissement concerne aussi les panneaux publicitaires non conformes et les installations anarchiques. Nous revenons sur les motifs de cette décision dans cet entretien que nous a accordé Amidou Garba, le gouverneur de la région de Niamey, il y a de cela un mois. C'est n'est que pour personne la ville de Niamey se trouve aujourd'hui vraiment euh, en contradiction avec l'évolution du monde actuel. Euh, parce qu'il euh, il y a tellement d'activités qui se passent sur la voie publique, toute chose en tout cas qui n'est pas de nature et assure la sécurité des personnes et des biens, ou bien l'embellissement de la ville de Niamey tel que voulu par les plus hautes autorités, au premier chef, le président de la République, Issoufou Mahamadou. Donc ce qui fait que nous avons identifié un certain nombre d'occupations que nous jugeons irrégulières. Lesquelles Donc vous voyez, quand nous voyons les vendeurs de véhicules d'occasion, beaucoup de moyens normalement, ils peuvent nous aider et ils doivent même nous aider, en tout cas, à embellir la ville de Niamey. Ils ont les moyens de se payer des parcelles pour pouvoir mettre ces véhicules-là et même dans des grands magasins pour pouvoir faire la vente comme cela se doit. Mais malheureusement, c'est que le font sur la voie publique et ils ne sont pas d'accord. Vous voyez aussi la vente des animaux sur la voie publique, alors même qu'il y a des marchés appropriés pour cela. Ils sont sur la voie publique sous prétexte qu'ils euh, veulent faire des marchés de proximité. Ça ne peut pas marcher comme ça. Vous voyez la circulation des animaux. Il y a des animaux errants, ça c'est des animaux qui sont abandonnés par leurs propriétaires, mais aussi il y a le déplacement organisé de ces animaux des des d'animaux, sous prétexte que ou on les amène en pâturage, ou bien on les amène à d'autres fins. Tout ça là, c'est des choses qu'il faut réglementer, Ils sont déjà réglementés d'ailleurs. Mais il faut bien que les gens acceptent que pour construire une ville, pour donner un visage à une ville, je pense qu'il eh, y a un travail qu'il faut leur faire. Monsieur le gouverneur, quand vous dites que c'est des choses bien réglementées, vous faites allusion à cette loi qui interdit la divagation des, animaux dans les, dans les rues Tout ce que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui ont été réglementés. Seulement par la faute de l'administration elle-même. Nous avons fermé les yeux et les choses euh, se sont développées au point où ça gêne aujourd'hui. Tout celui qui occupe un espace qui n'est pas approuvé sait très bien que, même moralement, il sait très bien que ce n'est pas normal ce qu'il fait comme, comme, comme acte. Alors dites-nous pourquoi cette fois-ci vous avez foi en la réussite euh, de, de, ces activités et pourtant il y avait des lois qui réglementaient cela et que euh, jusqu'à là, en tout cas, on n'a pas obtenu un résultat. Vous savez, parce que par le passé, nous étions tous toujours hésitants du fait de la démocratie pour ne pas piétiner le le droit de X ou de Y, ou des fois, il y a certains, certaines considérations que nous mettions en avant. Mais ça, là, aujourd'hui, nous avons nous avons entendu que personne ne doit intervenir par rapport à quoi que ce soit. Il faut que l'État rentre dans ses droits. Et par rapport à ça, le premier responsable de notre pays, en l'occurrence le président de la République et le chef du gouvernement qui est le Premier ministre, en tout cas, nous ont donné carte blanche pour agir afin que nous puissions ramener l'État dans ses droits en respectant, bien entendu, les lois et règlements de la République. Donc, par conséquent, nous sommes eh, accompagnés par le procureur de la République qui veille à ce que nous puissions respecter les droits des autres, faisant en sorte que le droit de la grande, l'écrasante majorité de la population de Niamey soit respecté. Est-ce que, euh, euh, parlant de, certaines considérations, on peut dire que le facteur socioculturel fait partie ou bien la mentalité des Nigériens Oui, il y a, tout, c'est tout, un paquet. Il y a non seulement d'abord euh, l'aspect social, excusez-moi le terme, qui, cache une certaine hypocrisie, et nous avons aussi des aspects purement politiques qui font que bon, chacun pense à, se faire réélire, donc il faut faire la part belle à ceux-là qui posent des actes qui ne sont pas corrects. Bon, il y a du tout. Il y a des, des considérations familiales chacun personne veut qu'on touche à son parent, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. au point où, et maintenant, c'est des individualités qui, veulent prendre le dessus sur le collectif. Alors qu'aujourd'hui, nous devons avoir une même vision. Nous sommes tous des fils de ce pays. Il faut qu'en posant un acte, qu'on s'assure qu'on n'est pas en train de piétiner le droit d'un autre individu. Mais puisque nous sommes dans ce cas de figure où certains piétinent le droit des autres, nous, nous devons arbitrer. Alors dites-nous comment cela va se passer. Et dans un temps, par la sensibilisation, par la demande à tous ces gens-là de respecter la loi. Et ce que nous sommes en train de faire, on a passé par des communiqués. Actuellement, le directeur du plan marchand et l'huissier de la ville de Niamey sont en train de tourner autour de toutes les écoles, autour des, centres de santé, autour des, bâtiments administratifs, autour des vendeurs de véhicules et autres là, pour sensibiliser ces gens-là à partir. On a donné des délais et pour qu'ils partent d'eux-mêmes. Parce que nous, on ne veut pas utiliser la force. Mais si ces délais que nous avons donnés euh, ne sont pas respectés, nous serons dans l'obligation d'utiliser la force. Y a-t-il un calendrier, monsieur le gouverneur Exactement. Pour ce qui est des animaux errants, pour ce qui est de la circulation des charrettes dans la pour ce qui est de, des panneaux publicitaires qui cachent la vue, pour ce qui est de l'association des gros porteurs, nous avons donné ce matin, le 22, lundi 22, pour que toutes ces opérations commencent. Effectivement, ça va pas commencer par euh, la sanction, mais c'est pour qu'au moins d'ici 24 heures, que tous ceux qui sont concernés puissent en tout cas s'exécuter. Au cas contraire, donc euh, certainement demain, nous allons commencer vraiment à sévir. Deuxièmement, il y a le 29 août où nous allons procéder, en tout cas on a donné le temps d'aujourd'hui, en du samedi même, jusqu'au 29, à tous ceux qui occupent les alentours des écoles, les alentours des centres de santé, les alentours des bâtiments administratifs de quitter et d'aller se chercher une place dans les, marchés de la ville. Au cas contraire, le 29, nous allons procéder vraiment au dégrapissement forcé de ces gens-là. Et nous avons également le 5 septembre. Ça, ça concerne les alentours du grand marché. Vous savez, le grand marché, c'est comme un bâtiment qui a été construit à Grand frais et qui doit contribuer à l'aménagement de la ville. Aujourd'hui, force est de constater que le parking du grand marché et les alentours du grand marché sont occupés par le commerce. Ça n'assure ni la sécurité du grand marché, ni la sécurité de la ville de Niamey, ni, la, la, la belle vue de la ville de, Niamey. Par conséquent, on avait fait plusieurs tentatives, mais puisqu'ils ne croient pas, puisqu'ils pensent que toujours c'est la même chose, on, chasse, ils reviennent. Alors, nous avons décidé que du samedi 20 jusqu'au 5 septembre, ils doivent se chercher une place. Au cas contraire, le 6, nous allons fermer le grand marché pendant 48 heures pour nettoyer tout. On doit tout casser et enlever pour que vraiment le grand marché c'est énorme. Et la dernière étape pour le MAP, parce que ce n'est pas le tout que nous avons embrassé, il y a beaucoup d'activités à faire. Mais nous avons juste choisi un petit paquet. Dans ce petit paquet, la dernière intervention qui va se passer le 20 septembre, c'est au niveau des vendeurs de véhicules d'occasion. Ça aussi, on leur a dit de, chercher des places jusqu'au 20 septembre. Passé le 20, nous allons procéder au dégrèvement forcé de ces espaces-là pour les libérer définitivement. Après ça, nous allons faire le bilan et nous allons prendre d'autres activités pour que, d'ici la fin de l'année, que Niamey puisse au moins ressembler à quelque chose. Parce qu'il va sans dire que Niamey va abriter en 2019 une grande conférence au sommet des chefs d'État de l'Union africaine. À cette conférence, nous attendons à peu près 5000 personnes, au moins 53 chefs d'État. Mais nous ne voudrons pas quand même que ces gens-là viennent nous trouver dans cet État. Alors, monsieur le gouverneur, c'est donc pour cette raison que les autorités du Niger sont en train vraiment de procéder à cet investissement de la ville de Niamey ou bien est-ce que ça a trop tardé Parce que là, il y avait aussi le programme Niamey-Niala, ça fait trois ce programme d'aucuns disent euh, n'a pas en tout cas donné de fruits. Est-ce qu'on est toujours dans cette logique où on prépare euh, en réalité ce grand événement Vous savez, le président de la République, depuis le début de son premier mandat, avait quand même initié un programme pour la ville de Niamey, qu'il appelle le programme Niamey Niala. Ça veut dire que depuis lors, il avait une vision pour cette ville de Niamey. Malheureusement, nous tous qui sommes aujourd'hui investis de ce pouvoir d'agir, nous n'avons pas été à la hauteur de la mission qu'il nous a confiée, parce qu'on a laissé les choses pourrir. Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Aujourd'hui, vu que cet événement-là qui fait partie quand même d'une préoccupation, parce que c'est du Niger qu'il s'agit, le monde entier viendra visiter le Niger. Et je pense que nous ne pouvons pas fermer les yeux et croiser les bras. Donc maintenant que nous avons le temps, effort de la conviction et de l'engagement politique du chef de l'État, nous nous sommes dit qu'il est temps d'agir et nous allons agir. On sent une certaine détermination dans votre façon de parler. Est-ce que vous avez pensé aux difficultés auxquelles vous serez confrontés Difficultés de mentalité, difficultés aussi par rapport à ces commerçants. Vous n'avez pas peut-être oublié ces syndicats de commerçants qui pourront peut-être agir ou avoir des réactions. Est-ce que vous avez prévu tout ça Pour moi, il n'y a aucune difficulté en la matière. Il n'y a aucune difficulté. C'est le bon sens. Vous savez, c'est quand on est sur un terrain de l'illégalité qu'on a peur de quoi que ce soit. Moi, dans cette action, je pense que nous sommes engagés et nous irons jusqu'au bout. Mais ce que vous serez surpris. C'est les syndicats qui nous téléphonent pour nous soutenir. La société civile, vous voyez-vous, on ne peut pas avoir peur dans cette action. Parce qu'il s'agit de sauver, en tout cas, le droit de la majorité des Nigériens qui vivent à Niamey. Et ceux qui posent les actes-là, ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont dans les marchés. Est-ce qu'on va les inquiéter Mais non. Ceux qui sont dans leur parcelle pour faire leur commerce, on va les inquiéter Je crois que non. Mais ceux qui posent des actes, illégaux. En tout cas, nous verrons sur leur chemin. Ils ne sont pas si nombreux. Ils peuvent aller à la grève, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais ça ne marchera pas. Vous venez d'entendre Amido Garba, le gouverneur de la région de Niamey. Le 20 août, cependant, force de l'ordre des commerçants du grand marché se sont affrontés. Selon toujours le gouverneur de Niamey, Amido Garba, cette situation est survenue suite à la remise de notifications aux commerçants qui devaient quitter les lieux avant le 5 septembre. On l'écoute une fois de plus nous avons été informés de manière surprenante qu'en début d'après-midi, le dimanche, au moment où le directeur général de la Socogem a pris soin de notifier aux occupants des parkings du Grand Marché, donc euh, une décision de quitter les lieux au plus tard avant le 5 septembre 2016. C'est à ce moment-là qu'un groupe de commerçants avait cru devoir s'aimer euh, semer le trouble. Alors là, conséquemment, eh, nous avions quand même pris les dispositions pour euh, rétablir l'ordre public qui a été perturbé par ces commerçants-là un groupe de commerçants, ça veut dire que c'est un groupe insignifiant, c'est ça J'en saurais le dire parce que nous sommes en train de faire euh, les investigations nécessaires. Euh, il y a eu des interpellations. Nous sommes en train de faire le regroupement de toutes les informations pour savoir qu'est-ce qui a suscité quand même ce mouvement. Quoique euh, nous savions déjà que leur motivation, c'était la notification qui, était en train d'être faite. Mais nous avons aussi d'autres informations que nous sommes en train de vérifier et au moins, opportun, on va les porter à la connaissance du public. Est-ce qu'il y a eu des arrestations, monsieur le gouverneur Oui, au moment où je parle, je pense que nous avons interpellé les 11 personnes. Nous continuons à chercher certains meneurs qui ont quand même semé le trouble. Donc, euh, il va de soi dans les réflexions de l'ordre public que quelqu'un qui, est à la base de ce, trouble-là, il faut bien qu'il vienne répondre euh, sur ses motivations parce que rien n'explique ce qui s'est passé le jour-là. Une simple notification ne devrait pas susciter quand même des troubles au point où euh, nous étions obligés d'utiliser quand même des moyens comme les grenades lacrymogènes pour pouvoir ramener l'ordre public. C'est pas, pas bien. Ça veut dire que vous avez un peu de regret quand même. Vous savez, chaque fois que nous intervenons, nous, sommes, nous regrettons parce qu'il y a plus ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Il y a des gens qui n'ont rien à voir dans cette affaire-là et qui, payent pour ça. Certains commerçants disent qu'ils n'ont pas eu le temps de se préparer à ce déguerpissement, qu'ils n'ont pas aussi assez de temps pour pouvoir quitter les lieux. Ça veut dire qu'au préalable, pas de sensibilisation par rapport à cette situation. Que répondez-vous euh, donc à ces commerçants Vous savez, euh, au Niger, euh, chaque fois les gens sont dans les perpétuels défis à lancer à l'État parce que c'est l'État qui a été faible pendant très longtemps. L'État n'existait pas. Pourtant, les lois et règlements de la République sont là. Aucune loi, aucun décret n'a encore été abrogés. Ils sont toujours en vigueur. C'est toujours ce genre de comportement que nous avons. Je n'ai pas été informé, ah, je ne savais pas. on dit nul n'est censé ignorer la loi. Je pense que le 20 août, nous avions annoncé quand même qu'il y a une série d'actions que nous allons entreprendre dans le cadre de rétablissement de, l'ordre dans la ville de Niamey. Donc personne ne peut dire qu'il n'est pas informé. Mais seulement c'est que, bon, puisqu'il ne croit pas, il pense que euh, ça ne va jamais s'exécuter, puisque, bon, fort de certaines relations ou bien de certaines interventions, on, va euh, arrêter l'opération en pleine exécution. Et, or, ce qu'ils doivent comprendre, que la volonté s'est exprimée à tous les niveaux et que ces opérations, nous allons les mener selon les calendriers bien établis. Donc, depuis le 20, nous avons fait ce que nous devons faire par la communication. Après le 20, nous avons remis des notifications aux impactés. C'était au moment où on devrait leur donner ce papier-là qu'ils ont dit que non, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord par rapport à quoi Par rapport à quoi Puisque l'espace qu'ils occupaient, ils savaient très bien dès les premières heures où ils occupaient cet espace-là que c'est de manière précaire et révocable. Par conséquent, ils savent très bien que chaque fois que l'État a besoin de son espace, il le reprendra. Donc, mais je vous dis que c'est parce que encore nous sommes des Nigériens, c'est parce que nous sommes euh, ces démocrates-là qui pensent que nous n'avons que des droits, les devoirs envers la nation, personne n'en a. Donc il n'y a que le gouvernement qui doit mouiller le maillot. Et le citoyen, lui, n'a que la jouissance. Gouverneur, par rapport à cette situation, vous avez rencontré les commerçants, je parle de, ce qui s'est passé le dimanche, vous avez rencontré les délégués, vous avez rencontré qui Je pense que le, 23 août, j'ai eu ici une rencontre avec les délégués des commerçants, ceux de l'intérieur comme ceux de l'extérieur, en présence de tous les responsables de la, de la région. Nous avions beaucoup échangé j'ai aimé l'échange qu'il y a eu entre nous. parce que quand on s'est séparés, en tout cas, moi, j'ai pu lire sur leur visage une satisfaction. Ils, ont compris ils étaient prêts à nous, soulager par rapport à cette activité-là. Parce a, soulevé tous les problèmes. Le seul problème qu'ils nous ont posé, c'est que les, places qu'on leur a indiquées dans les autres marchés, ils ont eu des informations que les gérants de ces marchés-là vont certainement monter les enchères. Mais que nous, en tant qu'autorité, d'intervenir pour que les gérants ne puissent pas augmenter euh, les, coûts de, location des boutiques. Et c'est ce que nous avons fait ce lundi, hier, on a quand même euh, parlé avec les gérants des marchés pour leur demander vraiment euh, d'accompagner le processus pour faciliter la tâche à ces déguerpis afin qu'ils puissent euh, se reloger dans les, différents marchés. Et les gérants nous ont fait la promesse qu'en tout cas, ils vont accorder toutes les facilités à ces commerçants pour qu'ils puissent intégrer les marchés. Donc, il n'y a pas une action musclée qui n'avait pas été préparée ou qui n'avait pas de solution. Tout ce qui se trouve être, en tout cas, les cris de cœur des commerçants, nous avons en tout cas pris des dispositions pour qu'ils puissent trouver des solutions. Par rapport à ce que vous venez de dire, nous avons avons rencontré des délégués qui ont dit qu'aucune place n'avait été indiquée par les autorités euh, pour vraiment euh, leur donner la possibilité de se réinstaller. Vous savez, c'est pour éviter effectivement ces, remises en cause là que nous avions en tout cas filmé toutes les rencontres. Donc euh, je vous renvoie donc aux images du 23 lors de nos rencontres où nous avons quand même donné détail par détail, tous les détails et marché par marché le nombre de places libres. Et également nous leur avons donné la possibilité d'aller chercher eux-mêmes s'ils trouvent un autre terrain qu'ils pensent pouvoir être utilisé pour leur commerce ils nous, quand nous faire la proposition et nous allons voir la situation. Donc, mais s'ils ne veulent pas entendre, effectivement, ils n'entendront jamais. Quelles sont les dispositions que vous preniez pour que la situation, je veux dire, les affrontements qui ont eu lieu le dimanche ne se répètent pas Bien, je pense qu'ils l'ont bien compris. Ils ont compris parce que je suis très heureux d'avoir appris qu'ils ont commencé à défaire leur installation. Ils sont en train de prendre le bagage. Ils, ont bien compris qu'ils sont de l'illégalité et par conséquent, après du moment où ils ont été notifiés, donc ils doivent partir. À part cette promesse, avez-vous une autre euh, façon de faciliter, je veux dire, euh, leur réinstallation Moi, le seul conseil que je leur donne, c'est qu'il faut bien qu'ils collaborent il faut qu'ils qu laissent ces endroits-là. Ces endroits qu'ils occupent ne sont pas des endroits de commerce, c'est des parkings, c'est des servitudes pour le grand marché. Et parce que le grand marché, c'est une infrastructure publique qui doit recevoir et les commerçants et la, population. Donc nous, en tant qu'autorité, nous sommes obligés de rétablir la justice. Et ils doivent le comprendre ainsi, ils doivent collaborer pour qu'on n'arrive pas à l'usage de la force. Hier, vous avez vu, de manière vraiment honorable, de manière vraiment très bien, autour du CG1, quand on était parti, pratiquement il n'y avait rien. Ils ont tout pris, ils sont partis. C'est une très bonne chose. Vraiment, je pense que nous, nos frères nos amis euh, qui sont dans, cette situation euh, vont réfléchir quand même d'ici le 5 pour partir. Est-ce qu'un délai plus long ne sera pas accordé si les commerçants vous le demandent Mais pourquoi est-ce qu'on doit rallonger les délais encore Moi, je pense que euh, c'est une, une, activité, enfin, c'est une action qui, doit être saluée par tout le monde, qui doit être accompagnée par tout le monde. Je pense que même si on tire sur le délai dans tous les cas, on va y arriver. Donc, autant le faire. Maintenant, je pense qu'il serait mieux pour eux de se réinstaller avant quand même l'éveil de fête où il y aura beaucoup de, troubles de Monsieur le gouverneur, merci beaucoup. Euh, C'était Amido Garba, le gouverneur de la région de Niamey. Euh, cette opération de dégapissement se poursuit dans d'autres régions. C'est le cas de Zender. La mairie centrale a entamé ce matin une opération de dégarpissement des kiosques et des hangars anarchiquement installés dans la ville. Cette opération a débuté au niveau de la déventure de l'autogare. Les boutiquiers ont un délai de 30 jours pour dégager les voies publiques. Docteur Bachir Sabo, maire central de Zender, il est au micro de notre correspondant Ali Keita. Nous avons commencé l'opération aujourd'hui au niveau de l'autogar. Et ils ont été prévenus à l'avance. Nous avons fait mille et une réunions avec ces gens-là. Nous avons interdit le chargement et le déchargement sur la voie publique. Il y a un autogare qui est conçu à cela. Il y a des autogares, il y a des places qui sont conçues. Il faut que ces places soient utilisées à bon escient. Nous ne pouvons plus accepter à ce que cette anarchie qu'on est en train de voir autour de l'autogare règne. Là, vous avez les véhicules. Vous avez des véhicules de particuliers. Vous avez des véhicules de transport. Vous avez des vendeurs de légumes. Vous avez des laveurs de voitures. Et c'est une voie qui est principale. C'est une voie vraiment qui, au regard de tout, elle reflète la ville. Et nous avons pris des décisions fermes. Maintenant, nous avons les moyens de le faire, nous avons pris des décisions fermes. Après, j'ai dit, on a fait des sommations. les raison pour laquelle nous avons commencé aujourd'hui. Et ça, là, ça va continuer, en tout cas, jusqu'à ce que l'ordre règne et que les gens se mettent en tête. On a fait plusieurs réunions avec les syndicats ici pour que cela ne se produise pas. Donc, que les gens me disent qu'ils n'ont pas été avertis, c'est faux. Les gens ont été avertis. Plusieurs réunions ont été faites ici. Nous avons donné des délais à plusieurs reprises. On ne va pas continuer éternellement à donner des délais. Dans tous les cas, les gens vont dire qu'ils n'ont pas été prévenus. Même si aujourd'hui vous avez pris la décision ensemble, ils vont dire qu'ils n'ont pas été prévenus. Nous les avons prévenus. Raison pour laquelle j'ai fait passer un communiqué hier pour informer l'ensemble de la population que tous les kiosques sauvagement installés le long de la voie publique, le long des chaussées, nous allons les déguerpir. Et nous avons demandé aux gens de les dégager eux-mêmes, qu'ils utilisent le même matériel pour aller au marché de la SNTN, il y a de la place, ils peuvent aller s'installer là-bas, sans qu'il y ait des dégâts, que les gens eux-mêmes, par respect, prennent leurs effets et le retournent là-bas. Mais la voie publique n'est pas faite pour faire du commerce. La voie publique, elle est faite pour permettre aux, aux piétons de circuler librement, ils ont le même droit qu'un automobiliste qui doit utiliser le goudron. Donc tous les trottoirs qui sont utilisés là, en tout cas nous avons pris la disposition de les évacuer. Nous avons donné un délai d'un mois qui est tout à fait raisonnable pour que les gens puissent eux d'eux-mêmes dégager ces endroits parce que nous ne voulons pas faire des dégâts aux gens. Quand on dit à quelqu'un tu as un mois pour dégager l'endroit, mais au bout de mois tu refuses, on applique la loi. Mais pourquoi Quelle loi d'atténuation Au contraire, moi je pensais que c'est même la population qui doit réagir. C'est cette même population aujourd'hui qui se voit privée, n'est-ce pas, de sa libre circulation qui doit nous interpeller pour dire, écoutez, nous avons le droit de circuler sur les, trottoirs et ce trottoir-là aujourd'hui sont occupés par des, kiosques de manière anarchique. Ceux qui ne veulent pas retourner là-bas, j'ai dit, ils peuvent utiliser les cours des maisons. Ils peuvent s'entendre avec les propriétaires de maisons. ce sont les maisons qui leur appartiennent, ils peuvent le faire pour qu'ils puissent construire leur kiosque à l'intérieur et faire sortir les portes maintenant sur les, les, voies publiques. Là, c'est possible. Mais là aussi, on va réglementer ça à cause, parce qu'il y a des gens qui abusent. C'est-à-dire, quand on vous dit de faire un hangar d'un mètre, vous abusez de faire un 32, voire 3. il y a des boutiques aujourd'hui qui sont implantées sur des, des trottoirs. Et vous voyez, c'est la même chaussée qui est utilisée par tout le monde. Et quand on vous dit encore que c'est injudice, c'est pire. Parce que non seulement vous avez les voitures, vous avez les piétons, vous avez les cyclistes, mais vous avez aussi les animaux, vous avez les, charrettes à traction asine ou à traction bovine. Donc vous voyez, et ça, ça, ne reflète pas l'image d'une ville. Nous voudrons que euh, cette ville aujourd'hui, qui officiellement est deuxième ville du pays, reflète vraiment ce caractère de deuxième ville du pays. Et je pense que toute la population doit réagir par rapport à ça pour que qu'on puisse dégager des espaces pour que les gens puissent circuler librement. Ça va continuer. Nous, deux, nous avons pris la décision aujourd'hui de commencer et d'y aller n'est-ce pas Et nous estimons que nous n'allons pas nous arrêter en chemin. En tout cas, autant vous allez entendre des gens qui vont faire des critiques négatives, mais autant des gens, la grande partie qui est silencieuse, qui nous dirait mais qui approuve ça. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire, c'est que la population puisse circuler librement et que chaque type de circulation, qu'elle se fasse dans les conditions qui sont requises. Les piétons, qu'ils utilisent les trottoirs pour lesquels ils ont été conçus, pour les piétons. Que les véhicules, les voitures, utilisent les chaussées pour lesquelles ces chaussées ont été conçues. Les cyclistes, les motocyclistes, qu'ils utilisent aussi les chaussées pour lesquelles cela a été fait. Nous avons pris des décisions pour permettre à chacun, à chaque citoyen, d'utiliser les voies qui lui sont octroyées par l'État. Et c'est dans ce but aujourd'hui d'aménager nos villes, de rendre nos villes respirables et viables que nous avons pris ces décisions. Le communiqué qu'on a fait passer, on a donné jusqu'à un mois aux gens de quitter les voies publiques. Quelle que soit la forme d'autorisation, en tout cas nous avons demandé aux gens de quitter les voies publiques. Il y a un marché qui est là, que les gens retournent là-bas. Mais il est hors de question aujourd'hui la manière dont les kiosques sont étalés de manière sauvage et sans entretien, nous ne pouvons plus continuer à, à, accepter cela. Et pire encore, il y a un problème d'hygiène qui s'oppose. Vous donnez des kiosques aux gens, où les gens viennent s'installer de manière anarchique. Et c'est là où ils vont faire toutes leurs activités, laissant les déchets. Ils laissent les déchets. Personne ne prend la précaution de dire ces déchets-là, c'est moi qui les ai produits, je vais les dégager. Non. On laisse, on pense que c'est la mairie est là pour ça. La mairie est là pour assainir nos villes pour concevoir, assainir. Mais il faut la participation de la population. Les gens ne paient pas les impôts, les gens ne paient pas les, taxes pour lesquelles ils sont obligatoirement doués à les faire, ils ne le font pas. Et ils attendent à ce que la mairie, mais la mairie ne vante pas de l'argent pour ne crée pas de l'argent pour aller faire ses travaux. Donc, nous avons pris ces décisions réellement pour euh, respecter cette loi de l'urbanisation, cette loi de donner à la ville, n'est-ce pas, euh, l'air qu'il lui faut pour pouvoir respirer normalement. Propos recueillis par notre correspondant à Ali Keita. Mais que pensent aujourd'hui les commerçants de la capitale de cette situation Comment la vivent-ils Moussa Lassane, membre des commerçants grossistes, importateurs et exportateurs du Niger, explique la situation. Il n'est secret pour personne. Vous voyez dans la ville ce qui est en train de passer. Les décrépissement là qu'ils ont fait, ils n'ont averti personne. Puisque c'est pas un avertissement ce qu'ils ont fait. Ils ont juste venir dans un bon jour, ils ont dit cinq jours, chaque commerçant doit savoir où il va aller. Au cas contraire, on va déguerpir ce qu'on l'a trouvé. Nous, nous sommes pacifiques, nous sommes croyants. On n'a pas attendu ces jours-là. On a tout pris. On attend d'abord ce qu'ils vont nous dire. Mais c'est qui est déplorable, ils nous ont fait déguerpir. Où est-ce qu'ils veulent que nous allons Nous sommes des Nigériens comme tout le monde. Nous n'avons aucun pays, si ce n'est pas et le Niger seulement. Dans les autres pays, ils l'ont fait, on les a montré où ils vont aller. Et nous, où va aller. Avant de venir à où est-ce que vous allez aller, dites-nous un peu comment les choses se sont passées lors de l'installation quand même de ces commerçants. Est-ce que quand vous êtes allé vers la ville de Niamey ou bien vers ces autorités de la ville de Niamey, qu'est-ce qui a été dit concrètement Tout commerçant que vous voyez a une autorisation d'installation. On les a autorisés à s'installer. Autorisation provisoire. Autorisation provisoire, mais chez nous, c'est comme ça, on ne peut pas dire d'autre chose. C'est une autorisation. Et à chaque mois aussi, on nous fait payer. Même si c'est une autorisation provisoire, est-ce qu'on peut dégripper des gens comme ça, sans leur montrer où ils vont aller Ce sont des Nigériens, je vous en prie. Et le gouverneur que nous avons eu quand même à interroger a dit que plusieurs rencontres avaient eu lieu avec les commerçants et que des endroits des marchés ont été indiqués et même que des gérants de ces marchés ont été conviés à ces réunions pour peut-être accorder des facilités à tout commerçant, en tout cas voulant s'installer dans ces marchés. La même chose que vous, vous avez entendu, c'est que nous, nous avons entendu. Quand même, au niveau de notre syndicat. C'est vrai, il y a plusieurs marchés à Niamey. Mais aujourd'hui, ces gens-là qui ont été dégrevés du grand marché, je ne vous dis pas que ce ne sont pas des commerçants entiers. Ce sont des devoirs en quelque sorte. C'est des débrouillards puisque des gens qui n'ont même pas un fonds de garantie d'un million, c'est des débrouillards. On te demande aussi de payer une avance de 500 à 1 million. Qu'est-ce que tu vas faire Tu n'as pas d'autre chose à faire que de laisser. Nous connaissons ces marchés-là. Mais comment Est-ce qu'on a les moyens de partir Et on est obligé aussi de chercher ces moyens-là au Niger. Nous sommes des Nigériens. Ce déguerpissement est dans un cadre bien précis, je veux dire l'embellissement de la ville de Niamey. Et vous, en tant que commerçant, n'êtes pas peut-être concerné par cette situation, par cette initiative On est bien concerné. Nous tous, nous voulons le Niamey Nialala. Tout Nigerien, veut à ce que sa ville soit propre. Alors, selon vous, comment est-ce que les autorités devaient procéder Parce que là, vous parlez même d'une question de moyens. Vous dites que ces commerçants n'ont pas grand moyens et qu'ils n'ont pas peut-être les moyens de s'installer dans des marchés. Comment, selon vous, cela aurait dû être fait C'est une aide qui sont en train de demander, avant même de les déguerpir, trouver une place où ils vont s'installer. C'est ça qu'il faut faire. Pour aider les Nigériens, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas les encourager à quitter le Niger. Ces gens-là, bien qu'ils soient des débrouillards, ils ont d'autres choses à faire. Hein. Non seulement ils supportent leurs familles qui sont ici et à, aux campagnes aussi. Maintenant, ces gens-là, s'ils quittent, ce n'est pas un autre problème qui va s'installer encore. Qu'est-ce qu'on va faire Nous ne demandons rien qu'on leur donne au moins une place où ils vont s'installer. Pour cela, nous n'avons pas d'autre chose à faire. Hein. On a fait un recours à la commerciale. Ils ont dit qu'ils sont compétents. Mais malgré tout, on va chercher encore à trouver notre moyen. Pour cela d'ailleurs, nous avons déposé un préavis de marche pacifique le lundi. Inch'Allah, on va le faire si on, nous autorise. On attend d'abord la réponse. L'itinéraire d'ailleurs, c'est à partir du grand marché à la mosquée de Ali aussi à la ville de Niamey en passant par les ronds-points Mauré. Vous dites que c'est une marche pacifique. Comment est-ce que vous garantissez donc réalisation de cette marche pacifique Le Nigeria n'est pas violent. Vous voyez donc comment ils ont des Qui a branché Personne n'a branché. Nous ne suivons même pas ça pour notre nous sommes des Niger nouveaux à ce que nous participons à la construction du Niger. Alors, vous allez marcher pour dire quoi Il ne faut pas déguerpir, il faut retourner là où les déguerpissements ont été faits, ou bien vous marchez pour dire il faut nous trouver des places. Tous les cas, n'anticipez pas les questions, vous allez entendre ce qu'on va leur dire là-bas, Inch'Allah. Moussa Alassane, membre, du syndicat des commerçants grossistes, importateurs et exportateurs euh, du Niger. Alors, euh, je l'annonçais, il, est avec nous dans ce studio, Nassirou Seydou. Euh, vous avez donc entendu toutes ces personnes, le gouverneur, les commerçants, en tout cas, un certain nombre de, de préoccupations. Quelle est votre réaction par rapport, euh, dans un premier temps, par rapport donc à toutes ces interventions <coughs> Merci Diallo. Je pense que je commencerai par le dernier intervenant, lui qui a évoqué déjà un mécanisme de lutte, puisque c'est le seul mécanisme par lequel euh, peut-être l'homme peut rentrer dans ses droits dans toutes les conditions. Il n'a pas voulu te répondre <laughs> quand tu lui parlais de pourquoi ils vont marcher, mais ils doivent marcher pour réclamer où ils doivent être. C'est des citoyens nigériens qui ont subi un certain nombre d'actes au nom de la raison d'État et qui, au même titre que tous les autres citoyens, ont besoin de l'accompagnement de l'État. Moi, je préconise à leur niveau, quand ils marchent, c'est de réclamer au niveau de l'État d'abord leur relocalisation en tant que commerçants, parce qu'aucun État n'a intérêt aujourd'hui à créer les conditions que quelqu'un quitte le statut de commerçant ou de quelqu'un qui parvient à prendre en charge sa famille, qui participe au développement du pays et qui devient maintenant un cas social ou un danger pour la société. Je pense qu'aucun État n'a intérêt à le faire. Cette raison d'État que vous venez d'évoquer n'était pas euh, justifiée La raison de l'État, ça dépend. Vous avez entendu comment le gouverneur l'a développé lui-même elle, a parlé de la faiblesse de l'État qui était à un certain moment donné constatée de manière très claire. Je pense que cette affaire de déguerpissement, dans sa globalité, les citoyens ne se sont pas prononcés contre véritablement. Mais les gens se sont prononcés sur l'opportunité, sur la manière dont elle a été faite sans concertation, sur, sur, sur, sur. C'est-à-dire, dans la forme, tout le monde est d'accord qu'on peut assainir une ville, on peut créer les conditions que des passages vers les écoles soient, ne soient pas obstrués, que des passages vers les centres de santé ne soient pas obstrués. Mais quand même, ça doit se faire dans des conditions acceptables de manière concertée et avec un accompagnement de l'État. on est en train de me dire, je finis, on est en train de nous dire que c'est en train de se passer dans toute la sous-région. Non, n'est pas parce que quelque chose se passe au Mali que le Niger doit le faire. On est en train de nous dire que on, chasse pas sur l'Assemblée du territoire national. D'accord. Mais là aussi, ce n'est pas les mêmes personnalités qui représentent l'État qui sont en train de le faire. Vous venez de mettre à c'est un président de ville, président de la communauté urbaine, qui est en train de faire, pas le gouverneur là-bas. Et ici, à Niamey, pourquoi le gouverneur Donc, voyez-vous, si l'État veut asseoir son autorité à tous les niveaux, il faut que les mêmes représentants, à un niveau quelconque de l'État, agissent au nom de la responsabilité de l'État et en toute responsabilité on ne peut pas comprendre à Niamey, c'est un gouverneur qui agit. À Zander, c'est un préfet maire et c'est un président de la communauté urbaine qui va faire. Peut-être à travers c'est un maire. À Maradi, ça, vous voyez, ça risque d'être un désordre. Je ne sais pas si je, je, me fais comprendre à ce niveau. Il faudrait que les gens comprennent qu'il y a quelque part alors une fuite de responsabilité de certains responsables, à, quelque niveau que ce soit. Ou à Niamey, c'est le gouvernement qui ne devrait pas faire, ou à Maradi, c'est le président de la communauté, eh, pardon, à le président la urbaine qui ne devrait pas faire. Maintenant, par rapport à l'autorité de l'État en tant que tel, dont le gouverneur a parlé. Il ne faut pas que les gens racontent que c'est des trucs provisoires qui a, été donné. C'est vrai, c'est provisoire. Mais au niveau du grand marché, il semblerait qu'il y a des gens qui ont payé des un à million. Et pas de main à main. Ils ont versé de l'argent sérieux au niveau de la Socogem qui, représente l'État aussi. Nous avons rencontré, nous avons rencontré dans ce sens des délégués du, grand marché des, commerçants, eux-mêmes qui, avouent qu'effectivement, en, prenant ces endroits, en, louant ces endroits, c'était des attestations provisoires, mais seulement que c'était signifié qu'à tout moment, euh, euh, l'État euh, pourrait avoir besoin de, de, ces endroits. Mais ce que ces commerçants ou ces délégués, par contre, remettent en cause, c'est le délai. Et on se souvient aussi que plusieurs tentatives avaient quand même euh, été faites euh, par rapport à, ces dégapissements. Vous savez, comme elle l'a lui-même dit, les citoyens en tant que tels ont cru à un prolongement de la faiblesse de l'État du côté de la protection de leurs droits. Si un État de ce genre, le, comme le nôtre, peut faire des offensives de ce genre pour marcher entre guillemets sur les droits des citoyens, les déguerpir, sans les reloger, il va de soi aujourd'hui que le citoyen fasse le parallèle. Pourquoi ce même État ne peut pas faire une lutte accrue contre la corruption au sommet de l'État Pourquoi ce même État, qui devient de plus en plus fort, ne peut pas créer les conditions d'avoir une justice saine chez les citoyens Il ne faut pas que ça soit une machine à un seul sens. Sur les citoyens, on peut marcher. Pourquoi ce même État, aujourd'hui, continue à être otage des partis politiques Ça veut dire que quelquefois, vous êtes, vous, êtes, un peu contre euh, ce, ce, Est-ce que euh, la, question du délai se pose en réalité Parce que le gouverneur l'a signifié dans son entretien. Il dit même si on repoussait, on repoussait, il trouverait toujours à dire que le délai n'est pas suffisant. Bon, ça, c'est ça les propos du gouverneur. Je ne peux pas euh, <laughs> m'approprier oui, ses propres propos. Mais moi, j'estime. Je suis en train de faire un parallélisme dire tout simplement que ce qu'il a développé comme raison, qui ont amené l'État à agir, je dis ces mêmes raisons peuvent faire en sorte qu'aujourd'hui, l'État lutte contre ces fléaux sociaux qui sont en train d'engranger la société nigérienne. Et mieux, quand aujourd'hui les citoyens parlent de, marche de, de, de ceci, de cela qu'ils vont faire, moi je parlerai plutôt des conséquences sur le plan social et économique que cela va engendrer. Et que peut-être le gouverneur et tous ceux qui sont en train de faire ça n'ont pas encore évoqué. Il est indéniable qu'il y aura des gens qui vont perdre leur travail. Il est indéniable que l'État lui-même aura un manque à gagner sur le plan de la fiscalité. Il est indéniable que la Nigélec va perdre ses 20 000 compteurs ou, ses 10 000 compteurs qu'il a placés et qu'aujourd'hui, il y aura deux mois que les gens ne paieront pas, c'est sûr. Parce qu'on ne va pas venir démolir un kiosque ah, ben, qu'il y a un compteur, si les gens ont consommé, ils ne vont pas payer. Où est-ce qu'on va les retrouver d'abord pour, qu'ils payent C'est très clair. Toutes ces conséquences, je pense que l'État ne les a pas calculées. Et puis bon, il y a un programme qu'on appelle Niamey Yala qui est en train de sévir, comme le gouverneur a tenté de l'expliquer. Mais malheureusement aussi, on casse les kiosques, les rues sont sales, il y a partout des dépotoirs de déchets. Il y a un paradoxe total. Si vous cassez, vous pouvez ramasser. Ça veut dire que longtemps, la ville de Niamey pouvait bel et bien ramasser les déchets. Parce qu'elle est en train de ramasser aujourd'hui tout ce qu'elle casse. Et c'est plus important que les déchets qui sont en magasin de la ville de Niamey. Donc on peut tirer la conclusion que longtemps, les autorités de la ville de Niamey n'étaient pas engagées à rendre Niamey propre. Mais maintenant, comme l'occasion est venue, on a cassé le kiosque des gens. cela ne tienne, on peut profiter pour faire les deux. Vous on a une cassé, On a cassé, on emporte le ciment, il faut profiter pour encore emporter les déchets que les populations ont produits, qui ont fait des années et des années toujours prétextant qu'il n'y a pas de moyens pour les prendre. L'une des, préoccupations de, ces populations aujourd'hui, c'est effectivement ces, endroits qui sont, laissés, qui sont laissés vides. Ces populations ont quand même euh, une certaine peur euh, quant au devenir de ces, de ces endroits. Exactement. Si on ne prend pas garde, ça va devenir des endroits où les gens vont pisser, vont uriner les petits enfants vont déverser tout ce qu'ils veulent déverser. Même si j'ai entendu au Conseil des ministres, on a exhorté les responsables de ces différents services de prendre soin des alentours. Mais cela a toujours été une tradition. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui va garder ou qui va veiller derrière, les gens vont continuer à faire leurs besoins. Et au lieu d'avoir des endroits véritablement propres, on va avoir plutôt des endroits cette fois-ci salis en lieu et place des boutiques. Dans tous les cas, ils sont obligés de prendre des dispositions claires de manière à ce que comme c'est un programme d'assainissement complet de la ville, s'ils vont embaucher des gardiens ou s'ils vont embaucher des vigiles qui vont veiller de part et d'autre pour que les gens ne déversent pas. Parce qu'il ne faut pas s'attendre eh, brusquement à un changement de mentalité que les gens vont prendre en charge ces endroits-là. Non, il faut que l'État veille. Vous êtes pessimiste. je suis pessimiste par rapport au fait de laisser les citoyens avec leur propre eh, conscience, leur propre moralité au Niger. Parce que l'exemple le plus souvent ne vient pas d'en haut, et on demande aux citoyens lambda de le faire. Ce n'est pas possible. Il faut gouverner par l'exemple et il faut créer les conditions que celui-là qui est en bas imite votre bon exemple et la société va marcher comme ça. Est-ce que vous pensez que d'une part, cela aussi va causer un peu euh, euh, de, soucis pour ces populations qui, je prends un exemple très simple, qui avant avaient accès à, des services euh, facilement, un vulganisateur par exemple, qui euh, un, individu qui, par exemple, aujourd'hui décide euh, d'aller vers un vulgarisateur, euh, et donc il n'a pas besoin de parcourir de très longues distances, mais aujourd'hui, avec cette déguerpissement ça devient compliqué. Et aussi, toutes ces boutiques qui étaient peut-être installées aux alentours des hôpitaux qui permettaient à ces malades quand même de se ravitailler. Est-ce que vous pensez que tout cela pourrait avoir un inconvénient, un impact sur la vie Exactement. sociale Exactement, c'est ça, c'est ça, je voudrais parler des conséquences immédiates sur le plan social et économique. Sur le plan social et économique, c'est ça, véritablement. Celui qui a l'habitude de se déplacer juste à 100 mètres pour avoir ce qu'il cherche, il n'en aura pas. Sur le plan économique, aujourd'hui, la rareté des produits peut provoquer la chérité. Les gens peuvent aussi profiter parce qu'il n'y a pas ça à tout bout de champ pour monter les enchères et créer les conditions que les trucs soient chers. Surtout avec la pauvreté qui est ambiante, il faut le reconnaître. Les gens aussi peuvent toujours en exploiter comme ils font pendant les mois de carême et autres. Et la conséquence surtout, je dis bien l'État, va, l'État va endosser sur le plan tout simplement de la fiscalité là-dedans. Je vous dis, ces genre de boutiques payent, c'est des boutiques qui sont dans le registre régulier, généralement qui payent leurs trucs. Aujourd'hui, on sait où les retrouver. Et puis la question qu'on a évoquée, dire qu'il y a des places dans, dans les marchés, ça, ce n'est pas vrai. Vous entendez les commerçants parler de. On a laissé les détenteurs des marchés augmenter les prix comme ils veulent. Il n'y a aucune garantie pour toi, quand ton kiosque est cassé, quand tu vas dans un marché euh, proche, que tu trouves une boutique. Et même si tu vas la trouver, on va te poser des conditions sévères pour que tu les prennes. Même si j'ai entendu les autorités régionales parler de la facilitation. Quel accompagnement Vous n'avez pas posé peut-être la question au gouverneur. Quel accompagnement concret ils ont fait Combien de boutiques on a cassées Est-ce qu'aujourd'hui on a les repères du tiers même de ce qu'on a cassé Les gens sont dans la nature certains ont amené leurs trucs leur truc de, leur famille. Tout ça là, c'est dans 3, 4, 5 mois, on va commencer à sentir les véritables conséquences, mais les gens seront obligés de gérer. Ainsi marche la vie de la société. Toujours dans le cas de l'opération de déguerpissement, les supports panneaux publicitaires d'Orange Niger SA ont été enlevés et détruits par la police municipale sur instruction du gouverneur de la région de Niamey dans la nuit du 22 août 2016. Orange Niger a donc assigné les autorités de Niamey en justice qui les a déboutés, une décision, une décision que nous avons tenté de comprendre avec le juriste Maina Karté. Quand on dit domaine public, c'est par opposition au domaine privé de l'administration. Le domaine public, c'est un domaine qui bénéficie d'un système de protection toute particulière qu'on appelle l'indisponibilité. Le domaine public, quel que soit là où il est, il est indisponible, c'est-à-dire que qu'il est imprescriptible, il est inaliénable. Alors, L'imprescriptibilité veut dire que vous ne pouvez pas devenir propriétaire d'un domaine public par prescription acquisitive. C'est une donnée juridique qui protège des, les accaparements du monde du domaine public, qui protège, c'est-à-dire le domaine public contre la négligence de l'administration elle-même, qui pendant de très longues années fait laisser une personne occuper un domaine public qui, euh, par, par, par usage prolongé, il peut même prétendre être le propriétaire. Et l'inaliénabilité veut dire tout simplement qu'on ne peut pas euh, vendre ce domaine public-là. On ne peut pas le vendre on ne peut pas les céder à un tiers. L'administration, qui a aussi euh, une fonction d'intendant, peut autoriser une personne à occuper un domaine public moyennant une certaine redevance pour exercer un commerce pendant 20 ans c'est ça ne vous donne pas une position définitive. C'est une occupation précaire, comme on l'a dit, irrévocable. Bon, maintenant, je ne sais pas exactement le cas de Orange Niger par rapport à l'occupation du domaine public. Je ne, je ne, sais pas ce qui se passe. Franchement, je ne suis pas au parfum de ce dossier-là. Je n'ai pas lu. Vous savez, une décision de justice, on ne peut pas lire deux phrases au téléphone et comprendre de quoi il s'agit. Mais je rappelle un peu les principes. Si Orange Niger occupe un domaine public de l'administration, moyennant versement d'une certaine relevance à, la, une de commune de Niamey, eh bien, cela peut être revocable à tout instant. Mais si Orange Niger est propriétaire de son terrain, c'est-à-dire que si, par exemple, la ville de Niamey a vendu, par une formule quelconque, une parcelle dans un domaine privé, Orange a construit, alors là, ça donne une autre dimension. Donc là, je rappelle un peu les règles qui gouvernent la manière dont il faut occuper un domaine public. Oui, oui. Et si cela concernait, par exemple, les, panneaux publicitaires implantés et les supports euh, des panneaux implantés euh, en accord avec les autorités, et cela est prouvé par le paiement, par exemple, des, taxes, comment on pourrait peut-être expliquer cela Parce que c'est de ça, en réalité, qu'il s'agit. Oui, là, les mêmes principes s'appliquent. D'abord, il y a une utilisation euh, anarchique du domaine public relativement à l'installation des plaques publicitaires. Si Orange Niger a installé des plaques sur des portions quelconques de domaine public, moyennant n'est-ce pas, le versement d'une certaine taxe, d'une certaine redevance au niveau d'une des communes de Niamey, eh bien, ces possibilités-là, elles sont précaires et révocables. Le juriste Maina Carté, nous y reviendrons sur ce entretien que nous a accordé le juriste. Nous avons également essayé de joindre les deux parties concernées par ce litige sans succès. Voilà, euh, fidèles auditeurs, nous sommes au terme de cette édition. Rapidement, euh, Nassirou Seydou pour conclure euh, avec vous. Pour conclure, nous souhaitons bel et bien que ces commerçants-là qui ont bel et bien euh, réfléchi à la manière dont ils doivent revendiquer leurs droits le font pour réclamer un certain nombre de localisations. Ils doivent être euh, l'État doit leur montrer où est-ce qu'ils doivent aller en tant que citoyens et continuer à exercer leur commerce parce qu'on ne peut pas créer les conditions de faire des cas sociaux véritablement. Et pour ce dernier cas, 30 secondes, moi je me dis que on n'a pas besoin de tergiverser beaucoup là-dessus. On sait que des compagnies comme Orange, Atel et beaucoup d'autres aujourd'hui utilisent la voie publique comme ils veulent. C'est des gens qui ne souhaitent pas la réglementation dans nos pays. Si la mairie brise, ça ce n'est pas un problème. Moi je pense que surtout que la, justice a déjà débouté, on peut avancer. Ils doivent créer les conditions de se remettre à règle et on avance. Nassiro Seydou, acteur de la société civile, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, lundi, avec un autre numéro. Merci. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.